Oh. siècle doit être africain et citer le réveil du phénix endormi les adjoints romains les conseillers, et vous avez la population de Ziguinchor devant vous cet après-midi. Merci à vous d'avoir répondu à la modernité, d'avoir répondu à la vision, mais d'avoir répondu aussi à l'espoir. Tous ces trois mots incarnés par le maire Ousmane Sonko et aujourd'hui, c'est donc euh, le démarrage véritable, le démarrage véritable des grands chantiers de la mairie de Ziguinchor. Depuis son installation à la tête de la mairie de Ziguinchor, M. le maire a pris le temps de faire l'état des lieux, tant sur le plan financier ou administratif, de tâter le pouls du sommet des populations de Ziguinchor. Et aujourd'hui, c'est le moment, c'est le moment de commencer véritablement les grands chantiers pour Ziguinchor. Et Ziguinchor va être un chantier durant les quatre ans qui vont venir. Et ça, c'est la vision, c'est la modernité, mais aussi c'est l'espoir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le maire vous a convié pour euh, justement vous présenter tous ces grands chantiers, n'est-ce pas, qui sont contenus dans le programme bouroc que le maire justement a présenté aux chorois qui l'ont validé. Et dans la première partie justement de la projection que nous allons voir tout à l'heure, vous aurez la réflexion et la construction des marchés. Dans ces marchés, vous avez le marché Mariamadjidou, communément appelé marché Niafler. Vous avez celui de Baneto, le marché aux poissons, le marché aux produits agricoles. Vous aurez aussi la réflexion et la construction d'écoles. Vous aurez aussi les cimetières vous aurez aussi les stades, notamment le stade Jules-François Bertrand Bocandé, la maison des jeunes de Camp Saoudi. En deuxième partie, nous verrons justement l'aménagement paysager avec les jardins, notamment à Baneto, Monument aux morts, le triangle de Corinthas, les jardins de la gouvernance de Jachelem Nema aménagement aussi de grandes artères. Et ça aussi, vous le verrez tout à l'heure dans la projection. Concernant la voirie, vous aurez donc euh, le bitumage et le pavage de certaines rues des l'ouverture et l'élargissement de voies, l'éclairage public avec des lampadaires solaires, et ça aussi, c'est plus de 1000, lampadaires qui sont commandés par M. le maire, au profit des populations de Ziguinchor. Mais un des volets justement de ce programme BROK c'est surtout l'économie sociale et solidaire. Alors là, tout à l'heure, je vous avais présenté le plaquet tout à l'heure pour demander à ceux qui veulent contribuer, même aujourd'hui, ils peuvent le faire parce que l'équipe est là sur place. Ensuite, dans la deuxième partie maintenant en réserve, nous aurons justement des archives, notamment la radio municipale, la piscine olympique, le parc de loisirs, les plateaux sportifs des quartiers, mais aussi la réfection de la gare routière. Voilà donc euh, les grands chantiers que le maire a décidé de présenter aux populations de Ziguinchor, au monde entier, pour euh, savoir effectivement qu'il est prêt justement pour démarrer ces grands chantiers. Alors, nous allons demander à la régie tout de suite de... Pardon voilà, donc bon, moi je suis un Diola de Moulomp, hein. mon, mon Wolof est caduc, mais bon, c'est pas grave. Alors, euh, donc nous avons dit Mère Ousmane Sonko, donc, euh, mon moo leen woolu tey gis nañu fii maire Bignona Mère Ousmane, maire Moulomp ñi nga la ne ñoo ñoo nekk ci wetu président conseil départemental adjoint au maire yi conseil yi ak yenn population Ziguinchor ngeen wuy si ko ci wuy si bu rafet salle bi sax daanaka daa xaw a tuuti pour contenir ñëpp mais li ci am solo mooy maire dafa am ay projet yoo xamante ne ko bu mu ñëwee ba léegi def na at at boobu nag dafa newoon na toog mu setlu d'abord li nga xamante ne la fekk ci mairie bi notamment ci wàllu koppar ci walu administration mais xool aussi yenn projet yi nga xamantene ñom ñoom ñoo fi mais boole ko ak programme bi nga xamantene mom la indalé té yéen ngeen valider ko voter ko daanaka à 95%. alors donc tay mu woolu leen justement pour présenter leen projet yi nga xamantene mom moom la sumb maanaam les grands chantiers de la commune de Ziguinchor grands chantiers yoyu nag bëri na ci torop walu bu nekk daanaka laal na ko mu mel ni nag ci ñeenti at yi ñu dëmmal nii Ziguinchor dina nekk en chantier ñun sax dinañu xam ne Ziguinchor xar kanam changé na moo tax da ngeen di teewlu bu baax ngeen seetaan projection bu ngeen di wam ci projet yi nga xamante ne maire tànn na ko ak conseil de euh, conseil municipal pour que ngeen xamé ko noonu ngeen mun ko xamé noonu bu ko défé képp ku fi joggé bu démé kërëm mu xamal wa kërëm né maire Ousmane Sonko li la tambalé def li la namm def pour Ziguinchor si la régie est prête vous pouvez démarrer donc euh, la projection merci S'il vous plaît, maintenant, euh, essayez de cadrer un peu. On vous donne juste une, minute trente pour de, cadrer. C'est juste pour euh, la projection, s'il vous plaît. Nous allons commencer la première partie. Ensuite, on va ouvrir euh, des débats autour de la première partie avant de passer à la deuxième partie. Merci. Alors, si la régie est prête, c'est parti. bekaristara umulego nigonyi bekaristara umulego ni rano rano impanajora nanajukora aleya impanajora kalakoraku kokungaro kamanjoraku kamanjoraku kokungaro kasaforaku kasaforaku kokungaro kamangoraku pipi nanajukora korale hatinya Simpan aja ulah di kolong Kurpoji Sapusa Audi Audinyen pia pia Cende jar pia pia Jat mohem ni jatuh Pani koki mi isen bukani ye Jeni mamang au Sheni koko umbo me Mangi mangi mangi safinya yang kau dijimai Baba salitar Jadi bure Loy loy Tandine loy loy Ketinya ku cilai Tingole ni ringo Badi basen jadi bure Baba Loy loy Sinjane loy loy senja kuchilaye ni ringo Tani balama likojara kojara kamamibonyile ni dano dano impana jola jukulom pipi namejukoraleya impana jola jukulom kalakora kum kokungaro kamanjora kum kamanjora kum kokungaro kasafora kum kasafora kum kokungaro kamangora kum pipi menudukorale ya impana jola jukolo grupo ji sabusa Yario, pia pio Chembe ja ya, pio pio Yat no hemmi ya to Pani koki mi sen bukani ye um Nge ni mamang au Sheni koko umbo me Mangi mang Safinya e. yang kau dijimai Baba salital Jadi pure Loi loi Tangin loi loi nyak cilai tingole ni ringo Badi basen jadi jubure baba Loi loi sinjane loi loi ku cilai tingole ni ringo Tani balama liko jara ko jara pana jola jukolong pipi nane jukora leya jat no emmi jato pani koki mi isembu kani ye jeni mamang au jeni koko magina bi jol ga jolu jal kaza jolu juk kaza jolu jal kaza jolu juk kaza kaza masayo ya jukube juk panu juk wanu musu juk kaza mansa e pa mye di koumansa Kaza mansa yo Ya chouk le chouk Panou chouk, wano moussou chouk Kaza mansa mou kakou Nyeni rekou ni mbara Ninko irwa, ou tole jan irwa Bidyan E sou kousanou mou manko yo Kaza mansa Jakou pou kanou mbabe Koy lo boli massa Son rous kakanou mou yo Injeni keti massa Joulou chouke sou go you hit the joy man wait now ah wait joy fi joy man wait now bim fi joge lay ba de so ga xam ne muy man may mom yalla ko suuf si seede baba da bi teru ko si xuti jaan aduna wetanam Hey Usman hakuna pesa na mama, tamani wewe wewe Thank you. samansa sanji filfili bank monto sama jodun tanal tema tata kasangatara sate molbe de undi iko serun nyina sama ba manke sama ba manke sama ba manke sanji tan woro ke semmamboi dafe ngolube ye kafo lube bendi présentation. Ça, c'est la première partie. Alors, donc ça, c'est la première partie. Alors, comme vous l'avez comme vous l'avez vu tout à l'heure sur l'écran, il s'agit donc de réflexion et de construction. Les marchés de Baneto, celui de Mariama, Djedjou, ce sont des marchés qui vont être qui vont être euh, réhabilités, réfectionnés. Mais les marchés aux poissons et aux produits agricoles, ce sont des marchés flambants neufs qui vont être entièrement construits. À côté, vous avez vu les cimetières. Regardez l'état actuel de nos cimetières. Le maire a décidé de réfectionner l'ensemble des cimetières qui sont dans la commune de Ziguinchor. Et ça, c'est important parce que nous n'y faut pour le mouiller. Mais le plus beau cadeau, c'est le de Jules François Bertrand Bocandé. Ce sac là il va être entièrement reconstruit. On va le reconstruire entièrement, comme vous l'avez vu sur, euh, euh sur l'écran, avec euh, une piste d'athlétisme. Vous allez avoir une pelouse neuve avec euh, des gradins, mais surtout avec aussi de l'électricité. Et ça, c'est important. Et à côté, il y a le terrain de basketball, celui de volet mais aussi les autres euh, les autres terrains annexes qui seront justement construits dans ce stade-là. Donc c'est important. C'est un, marché extrêmement important. Alors, euh, nous allons donner la parole au représentant de l'AGTIP. Le représentant de l'AGTIP, s'il est là. Le représentant de l'AGTIP. Voilà. Très bien. Voilà. On va donner la parole au représentant de la qui va faire un petit commentaire justement sur euh, ce premier passage. voilà donc euh, comme ni ngeen ko sur ci écran bien, a ah, am na ñaari marché yoo xamante un marché da mais mu am ñaari marché yu qui sont xamante ne maire daf ko loolu du question de dañuy dem uti xaalis xaalis bi pare na c'est déjà sur place on va faire ça. stade Jules François Bokandé. stade Jules François Bokandé moom it euh, semaine bii rek dinañu tambali liggéey bi léegi mais stade bi li ci né moy stade bi fay aux normes internationales Madame, Sénégal Sénégal bu naré bu organisé bu organiser Coupe d'Afrique c'est sûr et certain dinañ ci mëna football ay match yo xamante match international la donc dañuy jox représentants gi représentant AGETIP rapidement. Merci beaucoup. Alors, comme on vient de le voir euh, sur la présentation qui nous a été faite, l'AGTIP et la commune de Jigueshor ont signé une convention dans le cadre du Bacassène avec l'arrivée de la nouvelle équipe municipale, il y a eu beaucoup de révisions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui a été retenu dernièrement, c'est de faire un marché aux poissons que nous avons fini déjà d'attribuer à une entreprise. Et sur sa table est déjà déposé les études pour le marché des fruits et légumes. Dès que cela sera approuvé, nous allons procéder au lancement de l'appel d'offres. Il est prévu également de faire un important volet de voirie, dont une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Donc avec les premiers travaux qu'on avait démarrés, ça n'est suivi une réalisation et je peux vous dire que présentement, d'autres entreprises ont souscrit à des offres que nous sommes en train d'évaluer. Nous espérons avoir une situation complète et démarrer les travaux sous peu. Alors, parmi les premiers euh, moultes d'ouvrages qui ont été ficelés, il n'y a que le projet de Saoudi que vous avez vu tout à l'heure, qui est exécuté déjà à hauteur de 45% par l'entreprise SDEX Project, qui est en cours. Donc, vas-y un peu, monsieur le maire, la situation de nos projets à la date d'aujourd'hui. Je vous remercie. mani qui parce que kii di le maire ak équipe am bi toog li ñuy indil nii du lu nga xamante ni suba wala gannaaw suba la li mu wax léegi léegi léegi la dama bëgg mu tënkaat ko ci wolof mu wax ni projet bi nu muy demee parce que wax na ko léegi ci tubaab ñëpp nañ ko déggandoo xam ni ñii équipe bi toog li ñu indil nii du lu ñuy xaar suba wala gannaaw suba lu teew la. waaw jërë jëf ma ma tekki li ma jot a wax léegi léegi ci nasra rek waaye effectivement diggante commune de Ziguinchor ak AGETIP dafa am benn convention bu ñu lié ñu dénk ñu ay projet dans le cadre du PACASEN à hauteur de cinq milliards projet yi nag bi ñu demee ba nar ko démarrer équipe municipale bu bees bi dafa ñëw bi mu ñëwee aussi am na lu bëri liñ ci soppi Maintenant, ni construction projet Kan Saoudi rek mom la ni euh, def ancien projet donc yi ci projet ji des dañ ci indi ay indi ay projet yu projet yu mag maire ko la construction du marché aux poissons AGETIP organiser la compétition te nañu entreprise bi ko war a def du ci kanam touti mën nañ ko démarrer benen projet bu bees bo xamné bokku ci won bi mu ñëw lañu ko sas moy la construction de marché de fruits et légumes bobu architecte bi pare na études yi tegal nañ ko ci kaw taabalam moom lañuy xaar mu valider budget bi ak études yi bu ko defee ñu lancé d'appel d'offre ñu doog a xam ban entreprise la ñuy tànn mu def ko beneen volet projet bi gën a mag boobu tamit fii la ko fekkoon mooy le projet de construction de voirie waaw voirie bi comme ni ngeen ko gisee am na entreprise bi ñu tànnoon mu commencé ko finalement dañoo mujj résilier contrat bi ah comme ay fonds publics la ñu ngi organiser appel d'offre pour ñu xool kan moo koy yeggale entreprise tontu nañ ci ñu ngi évaluer seeni proposition technique ak financière am nañu yaakaar ni ci début weer bi di ñëw inshallah allah dinañu xam kan lañ koy mën a jox comme ça mu commencé liggéey bi jërë ngeen jëf loolu laa wax léegi léegi ci tubaab moom laa tekki nii ci français jërë ngeen jëf. Voilà, merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Keba Sonko un complément. Keba Sonko, c'est l'agent voyé. Hein? Keba Sonko, mon moi agent voyé mairie. Hein? Mom la ñu de cadeau compléter. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. au fait, euh, dama si jaaraat ko sama collègue bi presque fond na lépp mais damay ñëw pour détails yi ngeen comprendre en grosso modo tronçon yoo xamante ne mairie cible leen pour réhabiliter wala pour pour tabax leen wala pour grattage parce que dafa am si au niveau de la communauté, de Ziguinchor am na voie yoo xamante ne taw bi daf leen

am ay propositions de route qui xamante en charge pour euh, la réhabilitation et la construction am na tamit ay propositions de tronçon qui xamante ne dañ ko gratter pour faciliter les en transporteurs qui ont a accéder ci yeneen zones yi donc tous les travaux de donc, c'est ma collègue qui vous dit, dans le cas du PACASEN, la famille a tranche transconditionnelle. Si transconditionnelle, nous avons 2776 mètres linéaires. Maintenant, 2 km 776 km. Si je ne me moi, KH14, croisement KH 19 Moi, école HLM église Benen tronçon pour Moi, je suis KH 19 bureau de service d'hygiène Camp Saoudite devant devanture service d'hygiène Benen Boussitop moi topp KH 20 Salou Cissé croisement KH 19 tamit. Euh, si tamit 20 KH2 rue neymar Bar lycée Dignabo, famille famille l'autre tronçon qui concerne aménagement de route à Kandé jëlee pharmacie Léona ba point Baneto euh, beneen intersection moi, euh, tali bi église euh, Nema, cimetière église église Tilène cimetière Tilène autant pour moi donc il y a une trans Si transconditionnel transferme on a 2 km 217 217 Il eu un aménagement de route à Boucotte sur une ligne de 723 mètres linéaires boulevard 54 croisement dispensaire Santhiaba église cathédrale aménagement route Boucotte euh, cage 18 euh, euh, yoy ay bu aménagement de route Tilène donc tronçon euh euh mo concerné donc une proposition de route à construire donc la voie qui mène du camp militaire jusqu'au cimetière de Kandialan en passant par le le croisement de, de, des pavés de euh, on Euh, on l'avait fait en tronçon. On a par tronçon pour nous par rapport à, la priorité. L'autre tronçon, c'est le mur de l'hôpital régional, aux tensions Guérit-Oussouy. Euh, benen tronçon bi mooy euh, Ama Soforal, mooy le long du mur de euh, Ama jusqu'au jusqu'au mur de clôture de l'aéroport beneen tronçon bi haute haute tension rond-point Cité parce que bii est prolongement la route en pavé de de de de qui relie les deux pavés euh, au niveau de la haute tension à, à l'ancienne route venant du, du rond-point Baneto. Caserne des sapeurs-pompiers, hôpital C4, euh, limite communale. Vous normalement 54 54 la dana d'un caserne des sapeurs-pompiers, mon mi nekk fou, gendarme yi nekk construit une route qui va croiser de la 54 garde sapeur wàcc hôpital C4 Limite Communale. Termis, Temis, 4, Kobada, Ponkoloban. Bon, c'est une nécessité parce que on a constaté que faut vous donne facilité à transporteur Bagnadiar au niveau du rond-point. vous donne un raccourci par rapport à ça. Benin tronçon, le, euh, le pont de Lignan, Beaucoup de Sud jusqu'au milieu de l'aéroport. Ça aussi, c'est juste désenclaver parce que voilà, voilà, il y a une c'est chaotique. Donc, après, je sur les routes à niveler. Donc, sur cette proposition, nous avons 8 km 762 mètres linéaires à, gratter et à niveler. Euh, premier tronçon, c'est checkpoint de Djibouti daral les petits ruminants CMT ba boulevard 54 beneen bi haute tension Sonadis Alloire rond-point Bekanjala beneen tronçon bi HLM Nema, haute tension guérite usui Benenbi, bi Silence service technique communaux hôtel Kadian euh, porte hôpital régional chez Alain, Mieux de l'aéroport, euh, école Lingan 3, terminus Tata Djabir. Et donc, je euh, de remercier ce qui concerne la voirie. Ce que retenir pour cette année-ci à réhabiliter et à construire. Merci beaucoup. voilà légui pour que ñu mëna def liguey bi parce que dafa bëri il faut que ñu nekk ci gannaaw suñu commencé projeté wala bu kenn jëlé kàddu du wax ñëpp ñu nopi parce que c'est important su ngeen di wax da fay feeñ fi agent voyé mom mo doon wax léegi moom mooy yor service technique bi nga xamante équipe bi tok le maire ak équipe bi tok ñoo ko fa teg télé yi ñu wara défar tali yi nga xamante ni dafa bloqué won kenn mënu ko défar ñi nga xamante ni équipe bi bu ñu ñëwé dañu dax entreprise yi fi nekkoon indi yeneen entreprise tek fi parce que ñooñu ñu won marché yi nga dañ leen wara défarat quand saudi liggéey bi dafa taxawon kenn xamul lu muy nuyu équipe bi waat nañu liggéey boobu bu macc ay wone nañ ko fii ñu bëgg ñëpp déglu ñu xool li ñuy wone fii c'est important même fu nga xamante ne équipe bi defuñu fa goudron wala defuñu fa pavé amna benen solution bu ñu trouvé lu nga xamante ne mu ci fi am muy gratter ko ba nga car yi taxi yi dinañ fa mun romb correctement yoy la agent envoyé doon expliquer léegi nii mais nag il faut ñu boole ci déglu bu baax ñu comprendre merci. merci Momo alors dañuy jàll ci dañuy jàll ci benen projet mais projet bobu ben doomu Ziguinchor ben doomu Ziguinchor moko concevoir jagleel ko monsieur le maire pour mu jox ko waa Ziguinchor kooku nag dinañ ko projeté mais yone nan ndaw bu ko Dakar ni ba fi pour mu expliquer ñu exactement projet bi lan la wundu après maire ci bopom dina ci dina ci ñëwaat hmm? voilà si la régie est prête allez-y asalaamaaleykum mbokki Ziguinchor ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen bal ak di leen bal wax di ñaan yalla may ñu fekke ko deewen yu bëree bëree bëri di def vidéo bi rek pour euh, introduire présentation au projet bi nga xamné soxal nañu amal nañu solo dina amal solo yépp ñu ko ci portefeuille projet bi am nga sous projet yu infrastructures nañ ko suñu dëkk bi l'une des capitales régionales les plus modernes et les plus agréables à vivre fi ci Sénégal ba tax bi projet ñu jublu ko ci li ñuy tuddee le canal du Correntas muy benn canal à ciel ouvert boo xam ne euh, xëccu na ci lu ëpp ñaari kilomètre ak genn wàll jógee daanaka booru marché bu kot gannaaw carte Kajoor euh, traversé dëkk bi yépp ba yegg ca dex ga ba mujj ko ci fleuve bi ñu jàppoon ni canal gogou mën nañ ko defar nak ba mu doon lu yànj lay nekk ci souf di nekk ci souf ci évacuation ba ñu defar ci kaw ba mu doon ben parcours sportif bo xamné wa siki ciot nañ fa mun ñew doxantu fexlu fa ñu bëgg entraînement def footing wala yéme ñu def ko fa mo am aussi garab am ay banc public projet bobu ñu ci liggéey bobu légui waaye di ci liggéey ak kenn ci doomu Sigicoor kenn ci doomu Casamance bi nga xam ne dugal na xam-xamam ak mëninam pour ñu mën a defar projet boobu muy Pierre Goudiaby Atepa ak entreprise am Atepa Group ñu fas yéene jàpp ci liggéey bi def ko ci anam goo xam ne seen contribution lay doon it ci li nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp muy dëkk bi di Ziguinchor projet boobu nag lañ leen di présenté nii ci vidéo bi nga xamné mo wara jall ñu ngi leen di gërëm di leen assalamu alaykum s'il vous plaît s'il vous plaît déglu leen bu baax Ville capitale de la Casamance naturelle, ville du bon goût et d'un certain art de vivre tranquille, va se voir traversée par un bel espace de promenade urbaine qui va surgir de ce qui était naguère ce canal qui allait de Boucotte et de la cathédrale au quartier de Boudaudi que les Iguinchos, rois appellent Corintas. Vous allez faire une belle balade le long des berges de ce canal New Look, rendu à la nature où les promeneurs et les sportifs en famille, se donneront quotidiennement rendez-vous. Cette promenade des au roi qui vous est proposée sur environ 2 km et demi, sur un espace aménagé et protégé allant de 27 à 40 mètres de large, est agrémentée d'un parcours sportif équipé avec des outils de dernière génération qui vous permettront de vous adonner aux joies du sport, de la musculation et du bien-être, mais aussi une grande serre à l'architecture futuriste Habitant un jardin botanique empli de toutes les espèces qui font la renommée de la luxuriance de la verte Casamance. Cet espace apaisant accueillera aussi un restaurant gastronomique à côté duquel les enfants trouveront tout ce qui pourra les émerveiller dans cet espace pensé pour être le paradis des enfants. Parce que nous devons demeurer connectés et être dans le temps du monde, les cybercases et les médiathèques permettront aux de rois d'abreuver leurs esprits de connaissance, de leur histoire, mais aussi parfois de se réunir à la faveur de grands événements autour d'un écran géant sur une grande esplanade achalandée de nombreuses boutiques et d'espaces de restauration. Les jeunes filles et jeunes garçons auront à leur disposition des terrains de basket, accueillant leurs joyeuses et disputées joutes sportives, entourées de jardins d'où les Iguinchaux rois pourront les admirer après avoir sacrifié aux joies de la randonnée sur ce parcours enchanteur et sécurisé. Il est à noter que toutes les infrastructures, bâtiments et installations sont dotés de panneaux solaires garantissant à cette promenade des Iguinchaux rois une autonomie énergétique et lui donnant le label vert et propre. L'ambition de ce projet urbain des est mise en œuvre et de transformer le cœur de Ziguinchor afin de lui restituer une identité forte de doter la ville d'un réel pouvoir d'attractivité et de contribuer ainsi à son développement économique, culturel et social. La promenade des Iguinchorois s'intègre ainsi dans une dynamique mûrie, volontaire et audacieuse d'aménagement et de développement urbain participant d'une construction citoyenne durable qui engagera la responsabilité individuelle et collective au profit d'une meilleure cohésion sociale et d'un meilleur vivre ensemble. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ma Je vous avais dit tout à l'heure que vous avez répondu à l'appel de la modernité. Modernité Nous allons donner la parole à monsieur Frédéric pour nous expliquer un peu le contenu de ce projet. Frédéric, merci d'être venu. Bonjour à tous déjà. Donc je me présente, Frédéric Dourlan. Voilà, Frédéric, euh, il, est, il a été envoyé par euh, Pierre Pierre à TEPA. Alors lui aussi, il travaille à TEPA Technologies, c'est ça Merci beaucoup je vais vous présenter en résumé le projet. En fait, tout d'abord, le projet Promenade des Iguincharois de Pierre Goudiabi Atepa s'inscrit dans une démarche et un esprit éco-responsable. Telle une vallée verte traversant Ziguinchor, cette promenade se veut écologique et responsable. L'enjeu du projet est la gestion du canal qui évolue au fur et à mesure des saisons, et quelles que soient ses fluctuations, la promenade ne doit en aucun cas subir les conséquences. L'idée est de canaliser le flux d'eau, quel que soit son débit, via une canalisation en béton suffisamment dimensionnée et équipée en cas de pluie abondante de trop pleins de débordements qui alimenteront des bassins, tampons enterrés de part et d'autre du canal, sous les espaces verts, parkings, etc. Ces bassins seront réalisés avec des matériaux recyclés à base de pneus usagés, nettoyés et déchiquetés en copeaux. En plus d'être économique, ce procédé recycle des matériaux difficiles à traiter en tant que déchets, les pneus. Étant donné la quantité nécessaire de l'installation, d'une ou plusieurs broyeuses sur site permettrait la création d'un pôle d'activité qui pourrait perdurer après la fin du chantier. Process revendable pour d'autres projets, bassins, remblais de chaussée, etc. Des modèles économiques similaires existent en France. Les bungalows seront réalisés avec des containers de transport en fin de vie, donc économiques, reconditionnés, aménagés pour les différents usages. Création de boutiques, artisanat, concept stores, restaurants, cyberespace, lieux de rencontre. L'idée est que chaque entité soit autonome, autant que faire se peut, en énergie, donc équipée de panneaux solaires photovoltaïques, y compris pour les éclairages des parvis des récupérateurs d'eau de pluie pour les sanitaires, le lavage des espaces, l'arrosage des jardins. Des espaces aménagés et des parcours sportifs verront le jour, tout cela au milieu des jardins paysagers mettant en avant la flore locale avec en point culminant une serre géante. Cette promenade attractive a pour objectif de favoriser la vie collégiale, un lieu de rencontre, de culture, un nouveau lieu de partage et de convivialité pour les Iguinchérois, au-delà également de l'attrait touristique. Voilà. Merci. Voilà. Merci Frédéric. Frédéric euh, nee qui Pierre Goudjabi Atepa mi par projet bi jagleel ko monsieur le maire pour mu jokkoo Mom le Pierre Atepa Yebalfi pour expliquer un peu projet bi nu Mais mais projet bi comme ni ngeen ko gisee ci projet bi mais xam ngeen c'est lii moom Comme fi comme fi Ousmane Sonko moom ñu koy donc lu Ousmane Sonko Ok. Alors, donc nous allons passer à la, deuxième phase. Voilà. Légui, comme comme maire Ousmane Sonko comme nous ma que ko waxee dafa moderne quoi ci le mouilles def yépp moderne da ngeen gis ay aménagement yoo xamante

Voilà, donc... Euh, <laughs> voilà. Mambay Mambay. Voilà, donc... Euh, comme li ma leen ko won euh bon comme wolof la wedi gis bokku ci c'est comme ça non vous avez vu ce que nous avons présenté tout à l'heure donc gis ngeen gis ngeen les Ziguinchor day nek ville bu moderne ville bu moderne parce que dañoo am maire bu moderne projet yi def du projet du du dañ koy non tembe tembe tembe gis voilà donc euh, monsieur le maire voilà donc euh, comme li ma donc euh, c'est c'est bien fait nous allons continuer la projection mais en attendant, sachez que ce sont des projets qui sont déjà en place, ficelés et prêts à être exécutés. Nous allons passer à la dernière partie, à la dernière partie de la projection. Comme ça, après, nous allons donner la parole au maire. Il va donc résumer euh, tout ce que nous avons projeté cet après-midi. Comme ça, après, de nous après. Merci, si la régie est prête. Amigo, como é que é? salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ku ñu ngi salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal mairie de Ziguinchor moo leen di baaxee xibaar bu am am solo xibaar bu bees jëmale ko ci seen site internet www mairie de Ziguinchor point bu ngeen ñëwee ci plateforme bi mën ngeen gis ay coppite ngir ñu gën a mën a jokkoo ak yéen jokkoo ci anam yu gaaw accessible et efficace mën ngeen am bépp information ci seen mairie ci service yi waaye it ci jaar-jaaru monsieur le maire Ousmane Sonko ak burok bi mu jagleel Ziguinchor bu ngeen cliquer ci burok ngeen am le programme de Ziguinchor le mandat de développement territorial, les stratégies de financement du programme. ngir koom-koomu monsieur le maire Du programme économie sociale et solidaire Vous bokk 100 000 volontaires prêts à contribuer à hauteur de 50 000 francs CFA. Pour participer, mën ngeen cliquer la carte bancaire. l'IA. Copar Express par carte bancaire. prix monnaie Wave, mala Orange Money. par virement bancaire avec l'intitulé FOMUDES. Alors, en attendant que les techniciens s'affairent autour euh, de l'essentiel, on va appeler Ismaël Goudjabi. Ismaël Goudjabi, c'est lui qui gère le projet justement qui est relatif euh, à l'économie sociale et solidaire. Ismaël Goudjabi, vous avez la parole, Ismaël. Euh, merci ma ngi len di euh, nio di len sante di yok touti rek ci projection bi nga xamne mom lañu def yi dina wax sax ci ñaari projection yi wala ñetti parce que bu ngeen sété liñ fi jotta wax yépp dafa jëm ci koom-koom zigenchor yokkute zigenchor luy tax ba développement am Ziguinchor marché yi ak infrastructure yi ak li ñëw né fi yépp lu mooy développement développement nak lu koy waral moy activité di dox moy ñi nga xam dañuy liggéey ci gouvernement am ñi nga xam dañuy am seen activité personnelle am ñi nga xam dañuy nekk ci informel il faut que ñu yépp seen activité dox pour que li nga xam ne wane nañ ko fi mu mun a am impact effectivement ci développement wu Ziguinchor moo motax actuellement nam amna ño xamni ñu ngi seen activité am ño xamni amna ñu nañu seen liggéey bopp am ño xamni ñu ngi ci gouvernement mais amna ño xamni ba légui ñu ngi yor seen activité bop mo xam dañuy jaay wala ñuy def activité d'apiculture wala yu démé non ñooñu buñu ñu bëggee développement am dëgg-dëgg ci dëkk bi il faut ñu def en sorte que ñëpp ñi nga xam ne ñooy active ay acteurs économiques seen activité dox daanaka lool moo waral euh, programme économie sociale et solidaire dañ ko indi pour dimbale ñi nga xam ne ñu ngi yëngu te ñu soxla dimbal bi nga xam ne ba léegi li fi am ci dimbal maanaam ci appui financier moo xam ci banque la jóge walla ci kees yi ba tey ñooñu dimbal boobu exil euh, su ñoom waaw moo tax lii lu am solo la il faut que nit ñi comprendre ni programme bi li nga xam ne wane nañ ko fi nga xam ne mooy ambition président Ousmane Sonko dafa am lu koy compléter mooy lu mel ni programme économie sociale et solidaire mi nga xam ne dañ ko andi pour fexe ba nga xam ne képp ku nga xam ne yaa ngi yëngu ñu mën la jàppale ci nga xam ne mooy sa activité loolu la amoon lu may yokk ci euh, li nga xam ne moom lañ projet ba léegi maa ngi leen di remercier Voilà, Ablaï. Ablaï, s'il vous plaît. alors donc euh, li Ismaïla wax lu am solo c'est vrai Barna nous ñuy tabax ay tali nous tabac espace nous aménager espace nous nous ñu am promenade de roi mais monsieur le maire yemul foofu dafa Il y instrument. un instrument instrument bo xamante un instrument boobu mon mooy foofu la ñu vous Khalis Khalis, nak. sénégalais bu rawatina Zigan Ziguinchor monsieur le maire Mo ngi leen moom ci boppam moo njëkk a ci poosam ne ismaila man lii laa teg ci table bi ñaan askan bi ak foo mën a nekk que ça yaa ngi Sénégal wala yaa ngi diaspora nga jënnee ci as nga dugal ko ci programme boobu noonu programme bi li ko tax a jóg li ko tax a jóg principalement yéen jigéen ñi ak yenn ndaw yi tey képp ku am projet boo ko soumettre Ismaïla dinañu jël ci xaalis boobu ñu lebal la nga liggéey fay joolaa yi nag daanaka ñemewuñu leb waaye nag lii dafay wone ne moom effectivement suñu dundu yitel nako dafa néwone da nek 5 milliards la doon out 5 mais dafa né bu amé 100 millions rek da ñu commencer financer ndawi ak jigen yi ci lool lañu tambali tay mu melni bo len jégué ismaïla ak structure bu mu yor di nga mën jot ci lolu bu ko defee kenn ku nek mu mën gor gorlu pour mën a dimbale boppam dimbale mais xaalis boobu du xaalis bu ñu mayé xaalis bu ngi lay lebal nga liggéey fay mu leer c'est bon. Mhm. oui Ismaïla. merci Sambou euh, maa ngi lay remercier effectivement am na loo xam ne waroon naa ko yokk ci commentaire bi ma def te jotuma ko wax effectivement programme économie sociale et solidaire dafa di loo xam ne ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ci jiitu muy Ziguinchor waay parce que ñu nit xam nañ ni développement wu Ziguinchor mu ngi dépendre ci Ziguinchor waay en premier même bu fekkente ne mun nañu séntu beneen dimbal mais ñun Ziguinchor ñoo ci war a jiitu topp ci waa région bi waa Sénégal d'une façon générale may wax ni président Ousmane Sonko li mu wax te mu waxoon ko depuis ci campagne bi bëgg na lu toll ci cent mille Ziguinchorois yi nga xam ne dañu yëkkati cinquante mille ci seen alal wala lu ko ëpp ni ko lii maa ko teg sa loxo pour nga. développer Ziguinchor ak li ko wër cinquante mille nag du placement du euh, comment dirais-je un prêt bi nga xam da nga koy def commune bi yéene rek ku ko mën te am na ñu bëre ñoo xam ne mën nañ ko boo ko mënee def ko boo ko mënee def d'un coup boo ko mënul nga def ko progressivement ba mu mat bu fekkente ne noo joxee cinquante mille

Nous suñu affiche nous ay code QR boo ci scanné mën nga contribuer ku bancaire nga contribuer c'est un effort qui est attendu de tout le monde et du loo xam c'est durant tout le mandat et au-delà waaw ñu si ñaan Ziguinchor nañ si jàpp détail la boo xam ne dama ko ma bëggoon ko yokk ci li merci merci Ismaila. Ismaila donc lu mu wax leer dafa né bép Ziguinchor waa moo xam yaa ngi yangi wala yaangi bitim wala Sénégal wala yaangi Afrique laaj nañ la 000 francs pour maintenir mon ngay ci projet bi loolu nak effort la Ablaïsamboumi, si nous voulons 50 000 francs de voyage, nous avons 20 000 francs, 30 000 francs, 10 000 francs. Mais nous avons 50 000 francs. Si nous voulons 50 000 francs. vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la projet alors, Dany Diallo qui foyer amélioré. Qui foyer amélioré, yoyo. Mère Nenema, la commande de 600 unités. 600. 600. 600 unités, yon kamentene, dans le commande nako, légui, légui, légui, tembe mouyaksi. alors leneen lu ci tegu leneen lu ci tegu xam nga ne Ziguinchor c'est vrai am na effort yu bëri yu maire def ci wàllu éclairage public mais doyul ba léegi am na ay quartier yoo xamante ne boo fa demee euh, ay problème nga fa ba tax na maire dafa commander 1500 lampadaires 1500. 1500 lampadaires yoyo, ci quartier yi nga xamantene ne dañoo ci éclairage ci quartier yoyu lañuy justement ñu éclairer bu ko progressivement ñu dugg ci yenen mais priorité à ces quartiers périphériques yi nga xamantene wax dëgg yàlla ci wàllu woowu am nañu ay jafe-jafe donc maire équité la soxla équité maanaam du yóbbu ay lampadaire HLM fu mu dëkk mu bàyyi jibook fi ma dëkk man dafa bëgg W'a Asulayn buñu amé lumière wa djibok am lumière wa Kanjalan am lumière wa jabir am lumière wa tilen am lumière hein Linjaan am lumière mais Suku Papa yi aussi am lumière mhm. sama gars alors donc li le li lii moo nekkoon euh, justement projection yi légui dañu jox maire amna ben vidéo bu ñuy teg bu paré ñu jox maire mu gëna a ci affaire yi bu ko défé mu gëna a suñu bop parce que c'est important mom mu gëna expliquer li ma doon expliquer ni rek ak lu ñu projeté yépp donc la régie si vous êtes prêts di def vidéo bi rek pour euh, introduire présentation projet bi nga xamné ci portefeuille ay infrastructure lay nek garab doomu Sigicoor kenn ci doomu Casamance bi nga xam ne fii lañ dooree nag fii lañ commencé En retapant sur cette tôle, Masayer Gay se souvient de ses débuts. Jeune artisan, avec deux apprentis, il produisait à peine 10 fourneaux par jour dans un atelier d'environ 4 mètres carrés, comme celui-ci, situé à Yara, un quartier de Dakar, la capitale sénégalaise. Au fil des années, il a mis sur pied le GIE Touba Foyer Amélioré qui est entré en possession d'un atelier de 1500 mètres carrés dans la zone industrielle de Diamniadio, située à une trentaine de kilomètres de Dakar. Dans cette entreprise sont produits des foyers améliorés communément appelés au Sénégal fourneaux djambars ». Cela grâce à l'appui de la coopération allemande à travers ses programmes, d'abord FAZEL, puis INDEV, Fonds vert pour le climat. waaw Massaër Gueye moom euh, seeraas la amoon baar bu ndaw nekk foofu yor fa benn employé nekk ak moom di liggéey ak foofu noonu liggéey di liggéey ci fourne yi mais benn projet bu ñuy wax euh, GIZ NDF ñoom ñoo a fa fekk après waxtaan ak man programme projet bi man tamit ma ma d'accord ak liggéey ak ñoom ñoom tamit. Euh, ñom ñoma jappalé jàppale mun naa ne ñoo sax ba ba am ay tank yo xam mun naa taxaw jappalé bi li ci jiitu moy formation bi euh jappalé nañ ma ci formation pour mëna liggéey fu na qualité euh jappalé ma tamit nan lay def pour mëna a am kayitu GIE bi euh jappalé nañ ma tamit ci walu matériel bu may liggéeyee. De nos jours, les changements climatiques constituent un défi collectif et l'État du Sénégal pour relever le challenge, a adopté une stratégie dénommée Contribution déterminée nationale afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre avec une meilleure exploitation et gestion des ressources naturelles tout en accélérant la croissance économique du pays. C'est ainsi que le programme INDEV Fonds vert pour le climat, Promotion of Climate Friendly Cooking Kenya and Sénégal est venu en appoint aux artisans et entrepreneurs qui se sont bien investis dans la fabrication des foyers améliorés. Nous avons fait 3000 3 3500 fourneaux par mois. Ces foyers améliorés au Sénégal sont aussi une réponse au problème crucial de l'emploi des jeunes qui se pose avec beaucoup d'acuité. Pourtant, j'ai pour tenter pour Espagne. Mais aujourd'hui, les ma jël avion dem partager ak ñeneen sama sama sama xam-xam tey ji nii nii nii mun naa ni euh, pour ma jëlaat avion di dem pour liggéey Europe ma doon jox un milliard du ma dem ndax fourne yi man moo ma ko gënal. Au Sénégal, plusieurs ménages utilisent la biomasse solide, notamment le bois et le charbon de bois, comme principal combustible de cuisson. L'application de la technologie sur les foyers améliorés permet donc de réduire davantage l'utilisation du charbon de bois. Et aujourd'hui, beaucoup de ménages font recours à ces foyers améliorés. su ma xëyee ci laay teg sama añ ci laay teg sama reer gis nga añ bi ni pare na nii reer bi laay ñëw teg nii su ma fu siwo bi laay def këriñ gis nga kii bi nii fourne bi nii des na suyoo bi gisa nga dute ji ci laa koy togg gis nga ndax man dute laay ndékkee duma dékkee kafe ci laa koy baxal nii ba mu ñor mooy bu ndaw bi nii bu mag bi mi ngi nii gis nga añ bi pare na gis nga lépp ci laa koy togg macha allah mu nekk fourne bu économique ba pare fi ngay toggee tamit du tax gis ngeen fi may toggee takkul deful dara tamit gisoo fi saxaar amul saxaar amul dara macha allah léppay set ñi amagul na jàmbaar mooy dama leen di digal ñu dem uti na jàmbaar ndax ndimbal njaboot la parce que tey bu doon yeneen fuur yi la tey booy togg añ di nga jënd 300 këriñ wala 400 wala bu ëpp ko te bii nii boo amee sa 100 francs wala 200 war nga cee mun nga cee togg añ togg ci reer te aussi du gaaw a du du gaaw a fay dafa sakkan daal waaw te day booy bu xasee booy jeex na bu xasee booy ba nga tëj euh, kii bi kubéer bi. c'est fini Ce programme dans le secteur de l'énergie dénommé ENDEV, Fonds vert pour le climat, Promotion of Climate Friendly Cooking Kenya and Sénégal, est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et est cofinancé par le Fonds vert pour le climat. Il est mis en œuvre au Kenya et au Sénégal. Ce programme, qui cible les zones les plus reculées, contribue à accélérer la croissance du marché des foyers améliorés et à augmenter la qualité de la production et des ventes. Les résultats sont palpables. Création d'emplois, réduction de la pauvreté et amélioration de la qualité de vie des citoyens. Voilà. Merci. Merci à la régie. <laughs> Merci à la régie. Alors donc, euh, comme je vous l'ai dit, le maire euh, a donc euh, déjà passé une première commande. C'est une première commande de 600, 600 unités hein, sur ces foyers améliorés. Madame maire, maire commandait déjà lutolu qui 600 unités yo xamantene ki fani di ñew dañu yex ci alors pour nous, nous dañuy jox maire cadeau Beaucoup de faits. monsieur le maire mu a ci un projet nous ñu présenter fi yépp ndax Gracias. know. donc euh, c'est bon léegi yéen yi nekk ci ginnaaw na ngeen may nopp monsieur le maire mu expliquer leen au détail projet yi ñu filmer fii yëpp yi ñu projeté fii yëpp bu ko defee kenn ku nekk mu am lu mu yóbbaale këram dem wasaaree ko askan bi monsieur le maire vous avez la parole.

je dina demander la compréhension de nos partenaires et de nos collaborateurs de la presse parce que aussi dans ce genre d'exercice il est bien que nous ak public bi nous alors je remercie remercier waa qui a une présence massive fii ñëw ngeen mais sen bop ngène vous n'êtes pas venu répondre au maire mais sen bop ngène ici parce que nous def yépp ziguin chacun et chacune d'entre nous là, pour le profit exclusif d'un groupe voilà d'une personne ma également euh, les tous les services déconcentrés ils fi yónnee ndaw ñu parce que nous suñu partenaires yu am solo la ci ñuy le receveur PR municipal mi ngi M. monsieur un de nos partenaires stratégiques et qui fait un travail formidable pour Ziguinchor nous nañ ñu ko fi monsieur Diop représente le chef du centre des services fiscaux Nous sommes partenaire pour nous aussi di ñu accompagner ci sommes bi ñuy def té ci parce que li c'est bien beau c'est bien beau d'avoir des projets voyez, la question centrale et fondamentale moy ak lan lañ koy financer Nous sommes suñu partenaires yi am solo ndax dañ ci liguey dit, même si le représentant de l'État en l'occurrence le préfet n'est pas là et ne s'est pas fait représenter euh, maire à chaque fois qu'on a des activités humaines,

Voilà, dina yok dara ci suñu boss ñun di remercier les collègues maires yi fi tew ma jiital ci sax suñu patron ñun muy le président du conseil départemental monsieur Georges Mansali ndax département bi moo ñu kaw ñun ñëpp tous ses collaborateurs son équipe euh, départementale qui est là les collègues maires avec le maire de Bignona, M. Bakari Diata, le maire de Ousoui, M. Ousmane Landry Diallo et le maire de Moulamp, euh, M. Idrissa Senghor. Je remercie également tous nos partenaires parce que ce ñuy nous dañ partenaires la ci ëpp ci ñoom dañoo de ngir cas, ils n'attendent presque rien Si bëgg avez Ziguinchor xam ni dañoo am chance bo commune am ko moy dafa am bëgg rek ci parce que bëgg ñu réussir quelque chose à Ziguinchor ñi ngi def ay ko lañ koy facturer peut-être c'est des dizaines de millions ñu koy def mettre au service de Ziguinchor entre les mains de Ziguinchor du réclamer pratiquement rien. Donc, je remercier ces partenaires-là. Euh, avons un partenaire stratégique, moi, représenté ici par euh, M. Diallo. Am des partenaires qui ont comme le cabinet Mbaïsen et Sherif Diatara. Dans le plan, nous ont concevoir am évidemment notre oncle et ami monsieur Pierre Goudiaby Atepa mu def ci tam liguey bu am solo def ko ci condition yu xawa également représenté ici par monsieur Frédéric qui a dû travailler hier jusque tard la nuit et qui a pris son vol ce matin pour être présent et nous faire cette présentation. Euh, je remercier également euh, des partenaires comme euh, M. Sambambaï. Je l'ai cité plusieurs fois ici parce que petit projet embellissement, voilà, aménagement voirie, d'où déjà, il nous avait amené 1500 cocotiers de Côte d'Ivoire. Moi, image bien 100. ça. Nous pépinière on les avait mis quelque part du aujourd'hui on est à 4500 plantes euh, je crois qu'on va profiter du début de l'hivernage nous choisir les grandes artères de la ville pour planter ko pour améliorer l'esthétique mais également euh, la verdure et l'oxygénation de la ville mais M. Samba Momit, Momit, a foyer amélioré il est natif de Ziguinchor du fi fi fi aujourd'hui il est professeur agrégé d'économie te affaire foyer amélioré yi économie sociale et solidaire de Chiligé dans beaucoup de pays d'Afrique Afrique de l'Est Afrique du Centre ak Sénégal surtout dans le nord du pays Mom commandé à ses propres frais les 600 premières unités de foyers améliorés. may ko Nous remercier également toute l'équipe technique qui ont beaucoup travaillé ces derniers temps Nyom Karim euh, Mambay Nyeren et Nyeren. Nous veux remercier remercier la presse locale qui est massivement présente aujourd'hui également ici di remercier et féliciter l'équipe municipale taxawaay rafet mais je remercier aussi nos partenaires parce que ci programme yi défini, def nii on va solliciter nos partenaires Nous mel SGBS un partenaire très dynamique Nous mel ni Casamance Crédit Mutuel euh, CBAO Areski keneen ak keneen et je reviendrai sur ces partenaires qui devront nous aider à faire beaucoup de choses. Alors, vais vous présenter un paquet de projets en deux parties première partie le projet yi nga ne sont pas des images qu'on vous montre Démarrer na la clôture des écoles je vous avais dit que pouvons admettre ici à Ziguinchor qu'il y ait encore des écoles publiques qui ont Samba Boy Mbami, euh, Mbami, Khari, nous nos enfants ne sont pas protégés et nous avons dit dans les deux à trois ans à venir d'autres, am ici dans le périmètre de Ziguinchor une école qui n'a n'est pas été clôturée les enfants seront sécurisés la première phase la deuxième phase moy def des aménagements ci biir des aires de jeu des aires de jardinage etc. ça va être un cadre de vie agréable am nañu projet boo madame le maire mi ngi ciy liggéey ouverture l'année prochaine dinañ lancer les cantines scolaires ba xale yi a di am ñi seen am doole ak ñi seen waajur amul doole di le goûter à l'école parce que beaucoup na xale yoo xam dañuy xey di jangi té duñu ndekki Amna xalé yo xamné xam ne tax ñu jàng bàyyi et ce n'est pas normal on n'a pas exposé également programme bobu démarré na et on a également un programme chaque année dinañ construire 10 nouvelles salles de classe Bourène bi lancé nañ ko défé na monsieur Cissé et chaque année, on construira 10 nouvelles salles de classe pour améliorer. notre souhait c'est que nous n'aient qu'à 100 ou à 80 dans des salles de classe. cette présentation on n'a pas parlé de la santé également mais aujourd'hui lancé nañu un vaste programme de construction de postes de santé de logements d'ICP qu'on va étendre aux sages-femmes également, mais également d'équipement de ces postes de santé, surtout le périmètre de Ziguinchor. Djabir, Bokunati, euh, Suma Colette Senghor, Goumel, et euh, Djibok. Cette année, on démarre avec Nyonyu, mais on va continuer chaque année avec de nouveaux projets et notre objectif, moi, nous améliorer Et vous savez que la municipalité avait choisi d'investir également sur l'hôpital Silence. Bataille, nous la première unité de chimiothérapie ici à Ziguinchor, à l'hôpital Silence. c'est la municipalité qui l'a totalement financée. Actuellement, signé un contrat avec des spécialistes qui doivent venir régulièrement de Dakar mais le projet bi dañ ko étendre parce que on ne fait que les cancers féminins sous ma Barry euh, euh, cancer du sein du col de l'utérus mais on nañ élargir à tout type de cancer les nga xam les n'auront plus besoin peut-être de se résigner pour mourir tranquillement dans leur coin euh, avec d'énormes souffrances Voilà, nous avons Dakar ou pour bénéficier de la chimiothérapie donc il y a deux séries de projets yi on les démarre tout de suite li présente leen premiers volets. premier volet les marchés à réhabiliter les marchés à construire euh, les cimetières le stade, la maison des jeunes la deuxième partie l'aménagement paysager c'est-à-dire les jardins euh, les jardins l'aménagement des grandes artères yo je peux dire que nous avons le financement à plus de 90 donc nous avons démarré là sans tarder nous avons commencé comme je l'ai dit Nous avons, comme l'a dit M. Diallo pratiquement l'entreprise est déjà sélectionnée Nous avons xam ngeen ni li ñuy c'est les procédures d'appel d'offres Il faut balaa ñuy nous avons bi les autorisations ça prend prendre deux mois trois mois et ça alourdit et vous savez qu'à Ziguinchor à partir de fin mai début juin c'est très difficile de faire des chantiers parce que day taw peut-être que qui ci biir bâtiment c'est plus facile mais c'est presque impossible de faire des chantiers de construction mais si nañu avons lancer si même suñ ko terminé que ça ait suffisamment évolué ba nga nous terminer immédiatement après l'hivernage pour les marchés moi, je considère que les marchés de Ziguinchor sont dans un état catastrophique. Les bâtiments sont presque en ruine. Niveau d'insalubrité, électrification, c'est fait de, de manière non conventionnelle. Assainissement, presque ça n'existe pas. Et nous, nous avons considéré que ça ne peut pas continuer. Le principal marché de Ziguinchor, c'est le marché Saint-Maur. mais marché boobu yéen ñëpp xam ngeen li fa xew ñun ñëpp nañu ko de ñaan yàlla rek bu fa dara am bu fa yàlla bu ñu yàlla nattu ba catastrophe am na fa ni muy marché parce que bis bu le la fay xew kenn xamul et ce marché là nous avons décidé de le désengorger mënatuñu nangu dem Saint-Maur am pour après on nous dit way il faut ñu liggéey nous avons dit que nous allons désengorger ce marché il faut que marché boobu mel ni mu mel moi c'est récemment que j'ai appris qu'il y avait même un parking mais parking bi dagg nañ magasin bouche d'incendie, incendie yi ko teg fa ay magasin tey su incendie amoon sapeur su ñëwee du am fu mu pour mun éteindre l'incendie. C'est pas possible mais bugguñu xey rek songu marché yi on a dit travaillons d'abord à offrir d'autres possibilités d'abord. Motax ñu ne yenn marché suñ ko réfectionné Baneto gis ngeen ni mu mel mais suñ ko réfectionné ni mu déjà ak parti bi ne ci gannaaw ñu boole ko ci biir marché bi yaatal ko ça peut accueillir beaucoup plus de monde ensuite il y a le marché Mariama qu'on va réfectionner ñu il est bon que ñu def des marchés spécialisés aussi Ziguinchor est une ville de pêche même si ko tout dit mais ba c'est une ville de pêche Nous avons débarqué. débarquer jeunes ju et nous quand on était plus jeunes il y avait les usines de pêche ici à Merger, sur euh, il y avait beaucoup d'usines de pêche aujourd'hui il y a le quai de pêche bi Felé. ñu donc c'est bon ñu def un marché dédié aux produits halieutiques nous pas un marché aux poissons poissons, poissons, sont a ci li mais poissons, crevettes, ñànkaar bi euh, euh, jungi ko bokk pour sénégalais yi ñuy déglu yëpp xam euh, ba ci kaakur kaakur Ziguinchor yu bari xamuñu kaakur kaakur mais man dama <laughs> je je passais toutes mes vacances au Cap Skirring te dañ doon dem for kaakur kaakur waaye booy xamuñu kaakur kaakur donc yooyu yëpp ñu mun am un marché bo xamné ne lañ koy wàccee foofu lañ koy débarquer ñu né à côté de ça Ziguinchor aussi est une ville d'agriculture période bi ku ñëw Ziguinchor mais li fi nekk ci euh, darkase muy fruit bi muy coco euh, ki kooku waaw saal darkase

Mais aujourd'hui, 90% de la production est exportée pratiquement vers l'Inde, Brut. On perd énormément de milliards sans s'en rendre compte. Mais y a un programme la ak projet il y ne ci mango Bangifi, orange Bangifi, pamplemousse banane cochon on produit beaucoup ici les fruits et légumes une période c'est l'arachide c'est le riz local avons donc un marché dédié aux produits agricoles de sorte que ku fi produit agricole mu tu ne vas plus l'amener au marché Boucotte ou au marché Baneto ou à Tilen, ou au marché Escal, mais directement dans le marché Bobo. et de là-bas ça peut être un point d'éclosion les gens peuvent venir acheter en gros marché et c'est pourquoi nous avons proposé également le marché euh, aux produits agricoles mais depuis quelques jours avons un débat qui conseil municipal avant-hier la question que je me suis posée moi, est-ce que c'est toujours pertinent de faire un marché aux produits agricoles parce que xam nañ le marché Tilen. bi nga xam dafa et qui est réalisé d'après euh, nos amis de la GTIP qui supervise, à plus de 80 c'est un assez grand marché boo xam na accueillir beaucoup de monde ñu bëri ñu nekk marché bu kot am na peut-être marché Tilen, la ñu jógee bi mu lakkee ñu dem donc si on reçoit le marché Tilen, et je le dis ici, il y a des lenteurs parce que c'est l'État qui avait décidé de reconstruire le marché Tilène. Il y a des lenteurs, on ne livrer Le peu que j'en sais, c'est que ces lenteurs seraient liées à des problèmes de paiement. Je le dis ici, le marché Tilène appartient à la commune de Ziguinchor. Titre foncier de la commune du Mokomom. Et la loi dit que les marchés relèvent des communes. Si les gens ne peuvent pas terminer ce marché, nous allons nous-mêmes récupérer le marché et le terminer dans les plus brefs délais pour que, pour que les Ziguinchorois puissent en jouir. Donc, si nous réfléchissons à y a une marché, il y a une réflexion extension. Ensuite, nous recevons le marché Tilen. Et vous savez qu'il y a les nouveaux types de commerce qui commencent à débarquer à Ziguinchor. Ici à côté, euh, Auchan est en train de construire et je crois va bientôt réceptionner également. Il y a d'autres centres commerciaux qui commencent à apparaître. L'olier Bunko Amé, est-ce qu'il est pertinent de prendre 800 millions ou 1 milliard pour défaire un marché aux produits agricoles. nous avons pensé qu'à la place, nous avons un projet qui d'allier un parc d'attractions et une piscine olympique. Parce que la piscine olympique, est importante. Les Chorois ne savent pas nager. Moi, je sais nager, mais on ne me Pourtant, on a le fleuve à côté mais depuis tout gosse on nous interdisait d'aller au fleuve donc on sommes ci ñun ne pas nager la natation est extrêmement importante ensuite ça c'est la natation de loisirs, mais il y a la natation de compétition nous voulons avoir des nageurs qui gagnent des compétitions au niveau national et même au niveau international et c'est pourquoi je pense qu'avoir une piscine olympique Barnetti. Le parc d'attractions, j'y avais pensé jusqu'à récemment. Mais avec le projet que nous propose euh, Atepa Technologies, c'est un, parc d'attractions en réalité. Puisque Jardin Botanique Mungafa, Esplanade Bangafa, il y aura des restaurants, des trucs et il y a des aires de jeu. Mais en tout cas de cause, nous sommes en train de réfléchir parce que si tu n'as pas des moyens énormes il faut que tu ba optimiser certaines des infrastructures j'ai fait ce choix parce que d'abord il a une utilité économique économiques. les marchés les parcs d'attraction piscines olympiques, mais même le stade parce que dina am ñoo louer de temps en temps un marché c'est bon pour les commerçants, c'est bon pour les populations, mais c'est bon aussi pour la commune. Parce que l'essentiel de mes recettes, Mingi du Marseille. Et donc, il y a ce genre de projet. Donc, Yoyou, je voudrais dire simplement aux Iguinchorois que demain, si on vous dit qu'on ne réalise plus le marché aux poissons, on l'a remplacé avec le projet de piscine olympique et de parcs d'attractions ou autre chose. Mais, hein? fruits et légumes du moins. Mais ce sera sur le même emplacement qui était déjà ciblé, Moi, fi nga actuellement daral Bini et on va déplacer euh, les éleveurs Yobulen Fi, vers parce que vous savez que Fofou mënatul Nek, daralu Pour les cimetières, c'est que man quand je vais voir au cimetière, c'est difficile. Cimetière c'est yi mom. Euh, d'abord c'est pas présentable y a des murs dans nous, presque les animaux entrent et sortent comme ils veulent euh, un cimetière ce n'est pas un palais c'est pourquoi nous avons dit nous allons réfectionner les cimetières mais les cimetières qui existent déjà, malheureusement, sont très mal faits. Soit des cimetières, soit des cimetières Belfort, tu es obligé de dox ci kaw pour arriver fi nga ses parents des voies il faut que nous un autre cimetière peut-être un autre espace de 5 hectares ou plus mais aménager ko nous ñu génne ay voies yoo peut-être corbillard bu ñëwee sax dina mën a dugg ba ci biir comme le cimetière de Yoff def des locaux administratifs pour ñiñ fay ñiñ fay teg parce que je me suis rendu compte que les cimetières de Ziguinchor ku ñëw ak ndewam day ñëw rek dugg ñu gasal ko fenn musul la mairie ne délivre même pas une autorisation pour inhumer à tel endroit ou à tel autre endroit donc on va les restructurer parce que les cimetières c'est important c'est notre destination finale à nous tous parce que Badi la mais nous sommes tous appelés à finir là-bas il faut qu'on le rende plus ou moins présentable le stade Jules François Bocandé je crois que c'est une nécessité actuellement le stade amitié euh, le stade euh, Aline vous avez vu situation Bumfinek. Il paraît que ça, doit être fermé d'un moment à l'autre et que le Casasport même va recevoir à Dakar. Nous allons rapidement aménager ce stade. On va le faire graduellement sur deux ans ou trois ans. Mais je disais l'autre jour que sous Paris, Ziguinchor sera la seule commune qui aura deux stades aux normes internationales. Pratiquement. Alors on va le faire graduellement parce que c'est un stade multifonction il y a un terrain basket un terrain handball volleyball un terrain football cette année nous voulons poser au moins la pelouse synthétique et mettre les projecteurs pour que ça commence à être opérationnel parce que xam avons ni hivernage presque et l'année prochaine s'il plaît à Dieu on termine les tribunes et on aménage rapidement les deux autres espaces, Mouille, basket bi ak handball bi football La maison des jeunes de Camp Saoudi, en fait on dit maison des jeunes de Camp Saoudi, mais ça n'appartient pas à Camp Saoudi, ça appartient à tous les jeunes de Ziguinchor. Et ça doit être un cadre assez ouvert, agréable, pour ramener.

Fodem, tu vois comment les gens ont aménagé leur ville. Tu arrives n'importe où dans le monde, tu mets ta bagages dans, ta chambre à l'hôtel. Tu sors, faire le jardin, parc d'attractions, tu as des endroits où tu peux aller. Et tu vois les gens sortir en famille ou seuls, au Ferlou. Mais je ne parle pas des Ziguinchor, mais Sénégal est là. Même Dakar, qui est la capitale du Sénégal. faire Dakar, tu vas où et donc, nous avons un problème général d'urbanisation. Et c'est pourquoi nous avons dit, espace yi ñu am ni dañ aménager de la verdure def du gazon def des bancs publics def également des espaces de jeu parce qu'à côté de ce projet il y a un autre parce que dans l'incité, ça c'est les projets qu'on veut faire tout de suite il y a un lot de projets et Waneli, comprenez que ça va être étendu à tous les quartiers. Partout où il y a des espaces, on va aménager. Mais il faut que les populations se sentent concernées. Parce que ce ne sera pas Ousmane Sonko Mouignou. Une fois qu'on va à Kandjalan ou à Lindian, nous aménager espace public. Ou à Fofou, nous organiser, particulièrement les jeunes mais du côté arrosage oui. éviter que les animaux entrent entretenir les, espaces de jeu la mairie va accompagner mais c'est les populations elles-mêmes dans un premier temps qui doivent en faire leur affaire mais investir 20 millions ou 25 millions ou 30 millions le plus pour faire un espace six mois plus tard tu ne trouves absolument rien là-bas ça aussi ce serait pas bien et ce ne serait pas encourageant donc tous les espaces publics c'est dans ce cadre-là que ko les grandes artères je vous ai parlé des arbres mais il y a d'autres types d'arbres que nous voulons introduire amna on a déjà les premiers boutures c'est l'arbre qui est supposé être l'un des arbres les plus euh, oxygénants au monde Nous avons le paulognan qu'on retrouve beaucoup plus en Chine on a un de nos partenaire, une de nos relations, qui est botaniste et qui est dans une université chinoise et qui a décidé de venir travailler avec nous pour nous aménager avec ces types d'arbres qui sont très jolis et qui changent de couleur selon les saisons, mais surtout le volet environnemental pour qu'on respire de l'air frais. Alors pour la voirie, c'est l'un des gros problèmes de Ziguinchor. Je crois que et M. Diallo de l'Égypte et M. Sonko de l'agent de la voirie, nous On va commencer des programmes. On va faire un peu de dallage, un peu de pavé, amener peu de des butimés, amener au comme si nous devions les meilleurs. Parce qu'on a une enveloppe à peu près de 2,5 milliards pour le pavage de cette année ci le reste on fera tout pour que toutes les routes soient praticables et c'est pourquoi en principe en principe semaine ville lañ démarrer nous allons commencer toutes les grandes artères à l'intérieur des quartiers avant l'hivernage à faire le grattage et le nivellement pour que les ak et les accéder parce que c'est très important. Il y a des quartiers, il y a des quartiers, l'autre jour j'étais à Loire, mais il y a des quartiers où tu es obligé de garer ta voiture pour marcher après, parce que de faire carrément. Et c'est de grandes artères de plus de 30 mètres. On a souvent de très jolis boulevards, yo xamné aménagé won. sont c'est de très très très belles avenues. Euh, et il faut il faut que nous travaillions tous à Il faut que nous travaillons tous à, aménager ces grandes affaires. il faut que nous... n'y nous liggéey pour aménager ces grandes artères de ko ni pour que en tout cas Ziguinchor soit très vivable et il y a également l'éclairage public on l'a dit Ziguinchor est plus ou moins éclairé mais Destinoubri le et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons ce programme d'acquisition de 1500 lampadaires solaires. Pourquoi des lampadaires solaires Parce que ça nous semble plus économique, plus gérable, plus écologique également et moins dangereux. Nous sommes donc et je peux vous assurer qu'on est très avancé par rapport aux offres que nous recevons on a budgétisé pour cette année pour un premier lot. Et pour yo je le dis, Ablaï l'a dit tout à l'heure, nous, on est là, on est maire de tous les Ziguinchorois. Il a dit son quartier HLM, HLM n'est pas mon quartier. Moi, je n'ai plus de quartier aux Ziguin, à Ziguinchor. Le est moi, A un programme quand tu vois arriver amna lu bëri lo autour des HLM de ko supprimer pour yóbbu ko Jabir parce que je considère qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes HLM amul problème accès mun nga accéder aux HLM à tout moment mais à Jabir, dès qu'il pleut c'est difficile d'accéder donc je préfère aider Jabir à avoir à accéder plutôt que embellir les routes des HLM j'espère que on va pas me taper dessus donc nous, aussi bien au niveau des infrastructures routières, des lampadaires, de l'aménagement des places publiques, de la voirie, on essaie d'être très équilibré et de privilégier ñi ils ont accusé déjà un retard par rapport à d'autres zones de Ziguinchor. Vous avez vu ici, on a des lampadaires solaires mais à lampadaire solaire c'est un programme de l'État Fil lampadaire lampe électrique néon, faut la lampadaire donc tu vois lampadaire solaire et cinq mètres plus tard tu vois la lampe électrique mais il fallait prendre ces lampadaires solaires et les amener ailleurs là où les gens n'ont pas l'éclairage et c'est ce que nous voulons corriger maintenant dans la mesure du possible et dans la mesure de nos capacités Il y a le programme de l'économie sociale et solidaire. C'est l'un des programmes auxquels je tiens le plus. Économie sociale et solidaire, c'est devenu un enjeu mondial. Vous savez que du 4, voilà du 2 au 6, Sénégal m'a organisé le forum mondial de l'économie sociale et solidaire la ville de Dakar m'a organisé. la ville de Ziguinchor est invitée mais ils nous ont même permis d'inviter de, quatre regroupements féminins de Ziguinchor à raison de six membres par regroupement. Donc je crois que les GIE comme Sofora, comme euh, Santiala, hein, ce matin j'ai reçu l'association des oui, c'est l'association de l'Union des femmes catholiques, qui également font de l'économie sociale et solidaire, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que malgré tout le potentiel que vous voyez ici, Ziguinchor est classé parmi les cinq régions les plus pauvres du Sénégal C'est-à-dire où la pauvreté sévit le plus au Sénégal à côté de Kolda, de Kédougou, si je ne m'abuse, de Kafrine et de Seyou. Ça, n'est pas normal. Et donc, l'économie sociale et solidaire, L'intitulé Moy aider les Chorois à sortir de l'extrême pauvreté. Le casement, c'est très digne. Il ne tend pas la main et même s'il doit souffrir, il souffre en silence mais filles, nous ñëpp xam nañ ni am nañu trop et aujourd'hui nous ciblons cette petite économie nos braves mamans yi ci koñ yi di tali marché les jeunes qui veulent travailler nous la ñu ciblé quand j'ai reçu les femmes catholiques elles me disent nous finançons chaque année trois organisations à raison de 50 000 francs par organisation. 50 000 francs. Soit une organisation 50 000 francs, qu'est-ce qu'elle peut faire avec Mais c'est vous montrer que les gens veulent travailler, parce qu'avec 50 000 francs, elles parviennent à faire des choses. Et c'est pourquoi l'un des projets phares, c'est l'économie sociale et solidaire. J'avais dit, si nous atteindrions 100 millions, on commence. Et par la grâce de Dieu, on a atteint 100 millions on va commencer à y travailler. Et comme je l'ai toujours dit, Amna c'est la couveuse d'entreprise, c'est d'abord former les gens à entreprendre. Il y en a qui sont déjà très, très, très professionnels, mais Amna ñu bari il faut ñu jangal Balangale Bala nga len pas jox xaliss, mo xam 200000 200 000, wala 500000 wala il faut d'abord nga jangal ko nak ngay tenir sa comptabilité minimale, nak ngay gérer tes relations, comment faire pour rembourser, et c'est pourquoi il y a, à côté du fonds municipal de développement économique et social, il y a la couveuse d'entreprise également. Mais j'en profite pour lancer un appel. Parce que moi, j'avais souhaité que l'essentiel du financement, pour ne pas dire la totalité, nous donne son effort. Et c'est pourquoi nous avons dit que nous avons 100 000 personnes qui acceptent de donner chacun 50 000 même si je répare 1 1000 francs 1000 francs franchement ni fi pas mën est-ce que tous ceux qui sont là ont contribué je ne pense même pas que le tiers ait contribué parce qu'on a la cartographie des contributions et ma première surprise c'est que 80 de ceux qui ont donné ne sont pas des Ziguinchor ne sont pas de la Casamance ils sont du Baol, ils sont du Saloum, etc. C'est des gens qui aiment bien le président Ousmane Sonko et quand je lance un appel, nous j'aurai. 80% de ceux qui ont donné. Ça pose problème Nous, nous voulons travailler pour Ziguinchor. Et le premier acteur de son propre développement, c'est le Ziguinchorois. On veut financer les jeunes. On veut financer les femmes. On veut financer les vieux même. Il faut aujourd'hui que nous sachions que les modèle yi communauté qui on a besoin de 30 millions pour construire l'université, 30 milliards pour construire l'université, en un temps record ñu milliards moi c'est cet esprit là que je veux que nous cultivions et c'est pourquoi je lance un appel encore et encore à la diaspora. On a des milliers de personnes qui sont un peu partout à travers le monde. La diaspora qui est également dans toutes les autres régions du Sénégal. Mais également aux chorois qui vivent ici à Ziguinchor. Qui ne connaît Moi, je suis le maire de la ville le def campagne j'avais pris l'engagement que je donnerais 10 millions J'ai naa ma contribution pour moi, semaine passée c'est 10 millions et comme je vous ai dit que je ne prends ni salaire ni rien les salaires ont salaire on vire ça dans le fonds municipal de développement économique et social donc Makoïdef, je crois que si vous voulez appeler les gens vers quelque chose, vous devez être le premier à donner l'exemple. Et donc, nous attendons de chacun et de chacune d'entre vous. Les conseillers, surtout les vice-présidentes là, on va leur demander 200 000 ou 300 000 chacune. Mais il faut que les gens contribuent. C'est important. Et on va commencer à financer L'équipe est là sur place. On va commencer à travailler. Et on va travailler de manière rigoureuse parce que financement dafa être aussi remboursement. Il y a aussi le projet qu'on vous a présenté. Ça, c'est les volets sociaux. Présenter le même projet pour les foyers améliorés. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à Ziguinchor, surtout dans les quartiers périphériques il y a beaucoup de gens qui ils cuisinent encore ak mat. loolu liggéey bu métti la ñun ñëpp xam nañ ko togg ak les femmes là sont très braves Tangna, na Sahar, na Boel balaa nga koy boyal et écologiquement c'est pas bon parce que les ñu amoon Casamance gis ngeen ni mu ngi wàññeeku nos forêts là sont en train c'est vrai on parle beaucoup de la coupe de bois là-bas le bois de rose mais on parle moins du bois de chauffe pour cuisiner et cette technologie permet de réduire drastiquement l'utilisation utilisation du bois et en plus ça peut créer beaucoup d'emplois vous l'avez vu dans le reportage et c'est pourquoi nous avons lancé également ce programme avec l'appui de partenaires pour Mouna doter shore. En tout cas, les 600 premiers foyers, on va leur donner gratuitement ces fourneaux Jambar pour les aider à, améliorer, mais également à utiliser beaucoup moins de bois. Alors, en plus de ces projets maintenant, on a les projets en réserve Wahni, on a le financement à 80 à 90 on a d'autres en réserve on vous a présenté on n'a pas présenté l'archive le euh, euh, le bâtiment qui doit accueillir l'archive et la région municipale on a les plateaux sportifs dans les quartiers tous les quartiers les études avaient été faites par euh, nos amis de la GTIP. De Kanyala à Lindian, Kenya, Sanjaba, tous les espaces publics, on a des programmes de plateaux sportifs. On a également le projet de réfection de la gare routière. Mais Bob n'a pas Alors, je voudrais en profiter Regarde routière, ça devait être un de nos premiers projets. Mais nos amis de la Géroute nous ont dit que si on fait l'aiguille, bon, tout le monde Parce que le nouveau pont Émile Badian qu'on doit construire doit probablement passer au-dessus pour venir chuter au niveau du rond-point à l'institut. Et c'est pourquoi on n'a pas aménagé le rond-point à l'institut. Parce qu'en principe, on raser quand ils vont faire le le pont. Et j'en profite aussi pour dire aux Chorois, souvent on est interpellé sur le boulevard 54. Nous dégageons notre responsabilité. Le boulevard 54 est une route nationale. Il y a un décret qui organise les routes. De femmes, les autoroutes maintenant, ça, il y a les autoroutes, les routes nationales, les routes départementales et ensuite on vient dans les voiries communales. Et même dans les voiries communales, il y a la voirie classée qui ne relève pas de nous et la voirie non classée qui relève de nous. Projet Bingengis, boulevard 54, c'est le projet de l'État du Sénégal sur financement de la Banque africaine de développement. Moi, le tronçon Mpac Senoba. Ils ont commencé les travaux, ça avançait bien. Depuis un an, depuis que je suis maire, ils ont arrêté. Je tiens à le dire, Mouler Nagne. Et c'est le seul projet que je connais de l'État du Sénégal, à part ce qu'ils construisent au port pour euh, la mémoire des, victimes du bateau Lodiola. J'espère que le président viendra faire une tournée économique et qu'il aura des choses à inaugurer. Mais c'est le seul projet que je connaisse. Là je suis arrivé à la veille de l'hivernage, j'ai interpellé la Géroute. Ils m'ont dit que les Chinois, ils font le travail, les contre-allées appareil avant l'hivernage. À ma grande surprise, nous les Chinois, ils sen ils disent que l'État a cessé de payer, ils arrêtent les travaux. Si les Iguinchorois doivent demander des comptes pour le boulevard 54, qu'ils ne le demandent pas au maire, ils n'ont qu'à le demander à l'État du Sénégal représenté ici par le gouverneur wala son excellence monsieur le président de la république Macky Sall nous ne arrêté sur le arrêté boulevard 54. je vais être très clair. alors je voudrais terminer maintenant je crois qu'on vous a présenté un certain nombre de choses. L'I, c'était les projets qu'on avait il y a le dernier projet qu'on vous a présenté. Ce projet semble être le plus structurant pour Ziguinchor dafa a projet xam day soppi a attaqué mon oncle Atepa pour lui dire que tu ne peux pas être natif de Ziguinchor et tu ne fais pas pour Ziguinchor il est temps que tu fasses sinon Mandina, les gens vont t'accueillir avec des brassards rouges et il a toujours eu l'intention de faire le canal du Corentas et cette fois-ci il s'y est attelé avec ses équipes ils ont beaucoup travaillé et il m'a dit de dire aux Ziguinchorois que projet B, il fait la conception gratuitement qu'il offre à Ziguinchor. Il cherche lui-même, je veux qu'on soit clair, il cherche lui-même le financement parce que c'est un projet de 6 milliards. À lui seul, il fait plus que tous les autres projets réunis qui sont à un peu plus de 5 milliards. La commune de Netidjoche Wallam. mais ce projet est le plus structurant il est un projet important qui va modifier complètement le visage de Ziguinchor. Et je tenais à le dire ici pour que désormais ce sera entre lui et les Ziguinchorois, évidemment à travers moi, le maire que je suis. Mais il a travaillé avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. J'ai suivi l'évolution depuis des mois. On a fait les relevés topographiques qu'on lui a donnés. Il a mis toutes ses équipes. Monsieur Frédéric, ici présent, jusqu'à hier nuit, ils ont mis les dernières touches pour nous produire ce chef-d'œuvre. Et ce que j'apprends également à ça, dans ça, c'est que si les gens veulent travailler, et travailler exclusivement pour le bien-être des populations, on peut faire de grandes choses. Si on arrête les surfacturations, il y a des projets beaucoup mieux ambitieux que celui-là et on, on nous dit que c'est 27 milliards ailleurs des projets beaucoup moins, ambitieux que celui-là, qui n'ont pas le dixième des installations prévues ici, on nous dit que c'est 27 milliards. Dans d'autres corniches que je ne veux pas citer. Tout ce qu'on vous a présenté, c'est vrai, on a une enveloppe PACASEN. Le PACASEN, c'est les bailleurs de fonds qui ont souhaité investir au Sénégal et qui ont voulu que ça aille directement au niveau des communes. C'est ça le 7. Mais la commune de Ziguinchor, depuis qu'on est là, a fait beaucoup d'efforts. L'année dernière, on s'est serré la ceinture. Toutes les dépenses de prestige, et on a pu économiser 600 millions sur l'exercice de l'année passée qu'on a reporté sur l'année, cette année-là. Et on continue à faire ce travail-là. Et tout ce qu'on vous a présenté, on va le faire sur Plétadieu. Est-ce que les Ziguinchora souhaitent qu'on le fasse Je vais vous raconter une petite anecdote. Je l'ai vu un jour sur un dessin animé. Un père de famille qui habite dans la banlieue, dans une baraque en très mauvais état. Un jour, Moudjel jël ay deux rapide dem almadi xool fa kër gi gën a rafet ci almadi mu ñëw taxaw devant la maison ne doom yi est-ce que bëgg ngeen kër gi doom yëpp yoo oui papa oui papa pour eux leur papa dafa gagné bi peut-être war a jënd kër il leur pose la question à trois reprises xale bi yooxu ba oui papa oui papa rek mu yooxu leen grondé leen ne leen alors travaillez bien à l'école si les Chorois veulent qu'on fasse de cette ville la plus belle, ce que j'attends des Chorois, c'est qu'ils soient des citoyens. Le citoyen, il se dit qu'est-ce que j'apporte moi à ma communauté et non pas qu'est-ce que ma communauté doit faire pour moi. C'est extrêmement important. Ce que nous attendons de vous, moi, nous avons l'habitude de poste. Si on faisons ko impôts, na fay l'impôt ndax l'impôt moi il man je n'ai pas des milliards pour défendre le pays Si on fait ko duty, na fay na fay je le dis tous les jours quand on réclame 100 francs par jour à un conducteur de Jakarta voilà à un tailleur voilà à un commerçant qui peut verser 5 000 ou 10 000 par jour on avons 100 000 francs pour défendre la tali 100 francs du moins pour nga la talibi. dans l'année c'est 26 000 francs si je ne me trompe mais xanaa a nit war pour sa communauté je veux que nous expérimentions à Ziguinchor un nouveau modèle Nous, sommes ñun qu'on a les capacités la volonté l'envie et la détermination de faire de notre ville de que vous ne dañ koy exemple dans le monde entier et en contrepartie la garantie que je peux vous donner moi, aucun centime aucun centime de l'argent public n'ira dans les poches de quelqu'un dans cette ville détournement de FIAM, surfacturation de FIAM. hier, avant-hier, aujourd'hui, j'ai émis une convocation du conseil municipal pour le 3 prochain. ci point je veux que le conseil nous autorise Moi, on va saisir la justice on va déposer des plaintes par rapport à des comportements à xamné je ne peux pas les tolérer Moi, xam ci foncier bi jël suuf soo moomul di ko jaay dagg espace public de di ko ça c'est fini à Ziguinchor moo xam également ci état civil bi où des gens créent des circuits parallèles pour détourner les 1000 francs de timbre de ko dugal poche je serai intolérant par rapport à ces attitudes si vous voyez que les Sénégalais sawaruñu di un impôt parce que dañu gëm ni li ñuy ci ñi et que ça ne va pas à la satisfaction de l'intérêt général c'est ce contrat moral que je veux qu'il y ait entre nous et Ziguinchor dans quatre ans si on déroule le programme qu'on a commencé avec le soutien de chacun et chacune d'entre vous nous offrirons à nos enfants un cadre de vie pour ramener. Et tout ce qu'on va faire va générer en même temps des emplois. Et va prendre en compte l'environnement aussi. Voilà le pacte que je veux sceller avec les Chorois. Je vous remercie pour votre patience et votre euh, aimable attention. Merci beaucoup. Merci. travaux. Merci à vous tous. Merci au maire de Bignona, au maire d'Oussouy et celui de Moulam pour d'être venu. Merci à l'inspection d'académie à l'IF. Merci aux partenaires. Merci au conseil départemental. njëkke ci chapitre boo xam ne maa ngi def diagnostic système bi ma doon tudd léegi ndax bu kenn réere mbir ni même système bi mooy daw ñu indépendance ba léegi même système bi Big big big buzz production production production Yes Big Rich baby So good sans cœur, sans C'est un enfant béni de Dieu. À lui, tout génération générations y croit Il est le seul qui peut nous libérer des mains des blancs de celui du gouvernement. L'Occident te disons bye bye, c'est fort, te disons ciao ciao. La corruption te disons bye bye. so good, feel so good.